Man quotidienne d'aujourd'hui, dimanche 12 mai 2024. Le thème d'aujourd'hui c'est Personne ne se dressera. Personne ne se dressera contre nous. Personne ne se dressera contre nous. Thèse lecture, Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, nous allons partir du verset 9 à 15. Ésaïe chapitre 8, nous allons partir du verset 9 à 15. Poussez donc des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, et vous tous ceux qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas affrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, celui que vous devez craindre et redouter. Verset 14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achappement, un rocher de sandales, de scandale pour les deux saisons d'Israël un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Verset 15 dit, plusieurs trébucheront et ils ils tomberont et se briseront, et seront enlancés et pris. Le verset 12 est le verset clé qui dit, N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas effrayés. Amen. La plupart du temps, lorsque l'homme est confronté à des défis, il a du mal à décoder l'action du doigt de Dieu pour faire triompher son bon destin. Il n'hésite pas à relier sa crise à des théories du complot. Le diable et ses agents étant censés mener la danse. Ce n'est pas toujours le cas. Dieu lui-même peut permettre un châtiment correctif, disciplinaire, Lorsque l'homme méprise ses lois, il est capable de déployer la nature, c'est-à-dire tremblement de terre, les tempêtes, la sécheresse, etc. Et les institutions humaines, c'est-à-dire le gouvernement armé. Aussi, nous avons aussi pour atteindre ces objectifs, c'est ce qui se passa à l'époque du roi Achaz et Judas, il y a 740 ans, avant l'ère du Christ. Ce monarque avait été infidèle à Dieu. Il avait placé sa confiance dans l'armée assyrienne plutôt que dans l'Éternel. Dieu avait annoncé qu'il punirait cette infidélité en se servant des Assyriens, non seulement pour vaincre la Syrie et Israël, mais aussi pour envahir Juda. Dieu a averti le peuple, ou le prophète, Esaïe de ne pas se lasser, influencé par les opinions de ceux qui concluraient à l'existence d'une confédération contre judas C'est une monarchie, c'est une monarque d'infidélité et une méconnaissance du pouvoir omnipotent de Dieu de mener notre combat à notre place lorsque, au lieu de lui faire confiance, nous avons recours ou bien recours à l'aide humaine. Dieu voit d'un mauvais œil que ses enfants oublient rapidement ses promesses face aux menaces humaines. Ce acte de lâcheté conduit à la compromission et finalement à la défaite. Le Seigneur nous avertit que les vrais chrétiens doivent le craindre plutôt que les soi-disant conspirateur et conféré, suscités par le diable. Si nous marchons fidèlement avec Dieu et si nous obéissons sans compromis à toutes ses lois, aucune force terre ne peut nous, ne peut nous troubler. Ils peuvent déconcerner d'autres personnes sans l'insigne de Jésus-Christ, notre Sauveur, mais ils nous fuiront toujours. Amen. ce du jour. Si le Seigneur mène nos batailles, il implore peu. Que les ennemis soient nombreux ou redoutables. La Bible en un an. Deuxième Samuel chapitre 1 à chapitre 3. Amen. you.